Aikai hana kante Seigneur da baba kahin suru irkwaimin bana a toujours je daga cikin faire da zan saki ga là Spécial. nigérien nigérien mes chers compatriotes surtout salafada Sam Rose s'exprime. Et vous, vous rappelez certainement de l'artiste Sam Rose. Elle était hier sur l'émission Franco Aoussa, c'est-à-dire tout Fada présenté par la Miss Rime Nous avions parlé du parcours de la combattante, de quand qu'elle a commencé la musique. Vous avez certainement compris un certain nombre de choses partant de cette émission. Elle est entre le Niger et le Nigeria pour rappel. Elle s'appelle SSI, Sam Rose, son nom d'artiste. Elle a commencé la musique à bas âge a commencé d'abord par interpréter les musiques de la rue, comme ce qu'on a eu hier. Et aujourd'hui, nous allons parler de son projet d'album. Deux vidéos seront disponibles très très bientôt. Et comme vous le connaissez et comme vous le savez aussi, nous recevons du talent. Les jeunes s'expriment sous l'émission Tous à la Fada, place à Sam, Rose, tout de suite et maintenant. Sam, comment tu vas ba da mallaha ba lafiya kalau kawai an anta cikin waka ta ko eh mana ai kai hanna kan tai senya da baba kan hin suru irkwai mi bana voilà misali ga wannan na harin ce mhm. c'est quoi la chanson ça parle de quoi eh waka ce wadda ta shahe ne wadda wadda take hutuwa direct daga cikin zuciyata cikin zuciya direct mhm, saboda waka ce real ta abdulsalam da ta taya ni abubuwa da dama cikin matsaloli na na yaren ta da nake saurari hmm. so yau sai na rungumi wannan waka in yi experiment wasu 'yan lokuta wanda ce que tu as vécu toi-même. <laughs> Voilà, c'est ça. Ça t'a fait. La, chanson t'a marqué à ton bas âge, c'est ça oh. Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette chanson Dis-moi. Ça parle de quoi Ça parle de ma mère et ma grand-mère. Ça parle de ta mère et de ta grand-mère Ouais. Elle est en vie Oui. La maman les deux, oui. Les deux. Mm. C'est quoi C'est pour le euh, leur rendre hommage Et euh, waka ce ta godiya na samu kuple guda mu grand labarin eh, ok daga harko mm. ke da ke ni ke saurara e babbar rana farin le grand jour jour de bonheur rana Ingankine Atikin Walwala. J'aimerais te voir ce Neuf mois pas neuf jours, tu m'as porté dans ton ventre, tu m'as donné la vie. Merci pour ça. Oh, toi, et ma grand-mère qui est tout pour moi. C'est Celle qui m'a élevée comme un père et mère. Waouh, la grande mère tout simplement. Honoré sur cette émission. Pour la eh. première fois, j'ai pas pleuré. Hein. Oh, bien sûr, non, non, moi, tu vas, tu vas donner la chair de poule. Moi, j'ai juste seulement le dur. Et eh, tu ne sais pas, peut-être que j'ai pleuré. Hein. Eh, wow. tu sais, c'est la première fois. donc, du coup, la, comment la grand-maman, euh, vous êtes déjà en bonne relation, en mmh. relation, c'est ça Ouais. Elle un peu élevé et tu oh as reçu un certain nombre de choses. Ok, là, c'est hein? la, la première chanson qui, en principe, va, va voir le jour, le jour de la fête. Oh, la veille de la Pour que les gens puissent savourer de ça les jours de la fête. Le jour de la fête. Donc, la, vidéo sortira, Inch'Allah, la veille de la fête pour permettre à tous qui aiment, ok, d'accord, faire plaisir à leur maman et pour faire plaisir à toutes les mamans. Mhm. C'est une façon de c'est une ici e pour les Surtout les... E pour les mamans et les ah, ah, grands-mamans. Je serai le premier à télécharger cette vidéo parce que j'ai envie de faire plaisir à ma maman aussi. Ah. Ok, d'accord. Elle m'a porté aussi, comme tu l'as dit, 9 mois. Elle m'a porté au dos. Elle m'a appris un certain nombre de choses. <laughs> Eh, je suis trop fier d'elle, En fait. Mhm. toutes les mamans qui regardent cette émission, dites-vous simplement que vos enfants, eh, on reste toujours des bébés. Hein? On reste toujours les bébés, on est là, <laughs> on ok, d'accord Comme euh, euh, la tata Mais Moi, je suis Rico. le bébé de ma grand-mère. Le bébé de la grand-mère <laughs> Moi, je suis le bébé de, ta, de la tata Fatima Rico. <laughs> bébé de maman. Mika kewa kuka kuka tiririri tiririri. Imbayu wako tutaba. Je ne pleure pas, maman, je ne pleure pas, je suis là. Ok, tout va bien. Alors, on va parler de la deuxième vidéo qui aussi, en principe, va sortir bientôt. C'est quoi la deuxième vidéo C'est quoi Tu as chanté pour ton mec Non, non. Tu as, tu, as, un mec dans ta vie mm, non, on parle pas, de pas Non, non, je sais. Ah, ben attends, tu. J'ai pas de mec, non, non, non. Tu n'as pas de mec Oui, pour, pour l'instant, c'est la musique, mon mec. Ouais, il peut regarder <laughs> l'émission. J'ai dit, je Les mecs, vous avez, vous avez votre réponse aujourd'hui. C'est la première fois sur une émission Qu'il me dit que le mec, c'est la musique. c'est comme ça qu'ils doivent toujours raconter les artistes. Quand, quand je leur pose la question, savoir, vous avez, vous avez, vous avez une meuf ils me répondent euh, tout le temps, euh, moi, ma meuf, c'est ma guitare, c'est ma musique. Ah, bah Donc aujourd'hui, tu as répondu, tu as répliqué, j'aime ça. Alors Samros, ouais. ça s'appelle le Soya, tu l'as chanté pour euh, les amoureux, les Ça s'appelle Mi Amor. Mi Amor. Ça donne quoi, Mi Amor waƙa ce eh, ta soyayya wadda nake tunanin nake nuna farin ciki na da jin daɗi na da irin muhimmancin da soyayya take da a rayuwar mu gaba ɗaya. To muna yi samun wannan waka da eh, kin kirkar kurata. Refrain ɗin shi ne tuna. <clears throat> Tuna? Tuna refrain. You my lover, you my love, you my love, you my love, you my lover. Mi amore, mi amore, mi amore, mi amore, amore. na habibi I just wanna be with you my hubby Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Ana galbi C'est ça les ah, refrains je crois C'est ça le amore, mi amore, amore, amore <laughs> wow, Samros, je suis en train épaté le talent il là la voix. Ben, j'ai euh. kiffé. Je te dis, je sais que ceux qui regardent cette émission ont aussi kiffé. Nous sommes à la fin de la rubrique consacrée à la jeunesse nigérienne. Tira Mucheso, Tira Zouaga Matasa. de Suche Saura Ramu, Douwon de Tira de Kinada, Kituro Muneta. kirana gare ni ga matasa musamman ga mata musamman ga mutane masu nakasa les personnes en situation de handicap comme moi je veux dire mhm. euh, kirana gare su shine don kana da wata 'yan nakasa ga jikinka ba abin da zai hana ka bane ka yi mafarkin ka kai realizar rabinka ba don kina mace ba ne ba a hiki musulma ko kuma krista ko kuma piyanport ke zaki tashi ba zaki iya yin rabobinki ba kawai zaki kwansakar ki ga wani don ki birge societe ko kuma don ki birge wani ko kuma dai abubuwa misalin haka i rayuwarki free nemo liberty yanki don saboda ki zama independent ki abin da kike so cikin rayuwarki <laughs> ah ça, parce que ce que tu as dit a un sens. Ah, eh? un, mais un sens quoi. L'handicapé pour elle, c'est pas celui qui n'a pas les membres inactifs. Non. L'handicapé pour elle, c'est celui qui a les membres, les quatre membres opérationnels, les yeux et tout ce qui va avec opérationnel mais qui tend la main. Sambrose. Türkiye tout sauf Karşam magan, machine, talking. Hey. Dikkat.